Nous sommes au siège des Nations Unies où nous, avons, nous assistons aux travaux du sommet sur la mise en œuvre des ODD à l'horizon 2030. Demain, le 19 septembre, nous assisterons à l'ouverture du débat général de la 78e session de l'Assemblée générale. le Niger est présent et il compte participer à tous les niveaux des travaux de cette Assemblée. Demain, 19 septembre, s'ouvre le, débat général de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. la délégation nigérienne qui est déjà euh, présente sur place participera à tous les travaux de cette Assemblée. Les activités rentrant dans le cadre de la semaine de haut niveau de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies ont débuté ce jour 18 septembre 2023 à New York avec le sommet sur les objectifs de développement durable. Cet événement qui se tient en prélude à l'ouverture des débats généraux demain 19 septembre est l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de faire le point sur la mise en œuvre de l'agenda 2030 à un moment où l'humanité fait face à des défis multiples et multiformes. La délégation du Niger, conduite par son Excellence M. Bakaria Sangaré, ministre des Affaires étrangères de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, participe à ce grand rendez-vous mondial. Et ceci pour réaffirmer la souveraineté de notre pays dans la droite ligne des nouvelles orientations déclinées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.